gannaaw màggalu tuba 2021 senelek amalon am ndaje fas yéene amal taxaw setlu ci li nga xamanteni ni mom lañu jëlee fofé ci tuba nam at mu ci nekk am ab bu am solo ab taxaway bu am dole. ci digganteem ak li nga xamanteni ni di màggaluk tuba. ren nak bu nu dégloo Pape Moussa Thiam mi nga xamanteni mo yor kaddu ga lim ñu xamal moy lu tollok juroom ñet fukk ak juroom ben yu toftal juroom ñaar megawatt yokuna par rapport ak magalu daw nam sax bobu augmentation amna doole lol senelek nak amal liggéey bu am am solo ci magalu Touba 2021 nak nonu sax mom pap Moussa cham mi ngi xamna ni senelek nak dara taxu koo jóg ñi nga xamanteni di askanam. man ma ngi tuddu Pape Moussa Thiam man west. délégué régional centre ouest. Euh, di gérer région de Thiès ak région de Diourbel. Wa je ren euh, ñi euh, le directeur général Papa Mademba bi nga xamné mom mo nek en tête nañ ko ndax Sénélec def Touba ak ren mais magal suis génn benen bi bi passé.

boo seetloo li nga xamante ne bi jëfandiku nañ ko ci courant ci bisu màggal gi moo ëpp fuuf bu daaw loolu nag bett nu parce que tubaa day dëkk boo xam ne ni at mu jot day yokk xam nga évaluation yi ñu ngi nii di ko def euh, damaa génn ci bureau bi rek pour euh, wuyu ci seen interview bi mais loolu bu ñu paree xam naa directeur de région dina ko tënk jébbal ko directeur général bu ko defee bu ko waree siiwal siiwal ko bu ko waree unité bu nekk direction bu nekk li mu war a def mu def ko di préparer le magal de Touba nous sommes en train de faire un bilan d'étape du Magal de Touba ici au niveau de la délégation régionale Centre-Ouest. Le Magal s'est déroulé le 26 septembre dernier. Moins d'une semaine, nous faisons une évaluation à chaud, euh, présidée par le directeur des régions. Nous avons ici le directeur de la distribution, le directeur de la qualité et de la sécurité, euh, le DAPA, qui est le directeur des approvisionnements et de gestion du patrimoine de Sénélec. Bref, nous avons toutes les unités qui, fondamentalement, participent à l'organisation du MAGAN. Vous savez, la devise de Sénélec, c'est d'aller toujours vers la satisfaction des clients. Euh, et vous savez, cette devise est très chère au directeur général, Pape Madame Bité. Donc, euh, quand on sort d'un événement comme ça avec une organisation où tout le monde félicite Sénélec, il faudra effectivement faire une évaluation, un bilan, pour commencer à préparer déjà le prochain Magal. Parce que chaque fois que Sénélec sort d'un Magal, on prépare l'autre Magal. Il y a eu une grande augmentation. Vous savez, Touba est une ville, est une agglomération qui augmente de jour en jour. Euh, tenez-vous bien, cette année par exemple, on a une pointe de plus de 86,7 MW de consommation euh, le jour du, Magal. Cela dénote effectivement la progression fulgurante de, Touba. C'est une agglomération à forte progression. Donc à chaque fois, Sénélec s'ajuste par rapport à cette demande de plus en plus importante. Euh, nous sommes en évaluation et je pense que les travaux de, de, bilan ne sont pas encore terminés. Très certainement, euh, quand on va faire l'évaluation finale, un plan d'action sera certainement fait pour préparer le Magal prochain.